Vous le savez bien, dans 48 heures les terminales seront chacun dans sa salle. Car pour ce qui est du BPC débuté le 6 août dernier, il a été entaché par la fuite de certaines épreuves, Nous sommes sciences de la vie et de la terre SVT. Des irrégularités qui ont poussé les autorités en charge de l'éducation à a suspendre l'épreuve da ya kamata a yi ta da asibiti da sahe aka mai ta da marece domin a samu a sauya wannan jarabawa yan shekarun ga na baya da suka huce sata jarabawa ita take bata harkokin examen me ke ce a est da l'origine de ce fléau qui nos examen et même nos kuma laihin daga ina ne yake ko a ce daga wane ne yake bakinmu da muka gayyato a yau su zam gudal za su ba mu amsa A wannan fadar muna tare da Dr Sido Amadou, il est enseignant-chercheur, spécialiste en lettres, arts et communication. Docteur, ça va Oui, bonjour. Kuna lahiya? Ko muna tare da Yadema, section lycée et collège Mohamed Abdou, ça va? Ça va. Ya kake? Mamar, aga horta muna kana nan kana shirye-shiryen ba kuma kun mun jawo ka mun kawo ka amma dole ne he da ku hira ce ba ta yi wa da ku ka gani inda muke na wannan fatar da kandida da ke kusa-kusa da mu amma ban ma iya kiran su mun kira su ma ba sa kula mu ba sa kula ba sa zo <laughs> tare da su za mu yi wannan hira a yau ku bi mu so da kafa et comme d'habitude vous le savez la musique la chronique de la fada et la rubrique vont agrémenter ce numéro. Depuis quelques années, lors des examens, c'est un jikishin kishin qui a mis mba matba, ka ko wata matière Ce qui a d'ailleurs entraîné l'annulation de deux matières, à savoir histoire géo et mathématiques pour les séries A en 2015. Kai, trêve de bavardage, bari insamu samu ku wani vocal kin wani matashi da ke yawo. Shi dai wannan sarmayin da ya ji labarin annulation kin épreuve kin SVT kin ma da aka yi na samedi 8 août kin. Shi tun vendredi ya ji annulation kin. Assalamu alaikum, camarade vous êtes. walla ayi bai mara informe no kan ta wo kan irgote subsube a stefa so are rana gote ina ha walla fito nigero kul rano e bai kan iduwa wadin sai no igo ija mai walla ine kalwuki amma wani boda kan boraidu bor musani ne gilije da ini yi zamni sibai hali iga mai wali sa mai zamni gingu ko ini min ha kan bar mai ni gingu ko mu kan da hanfoyin ga no yakkan dai aramma aramma malhanin mu group kan ra'ayi ni miste ta ayi ti aramma doctor bar in fara gare kun ji dai shi dai wannan sarmayin da yana can a kan ma a tai da sahi a tai da marece ibrahimin eh, wannan an yi anulanta ni za ku ce musu kan irin wannan gaskiya abin ba tai ba in don gaskiya ne abin ba tai ba kaman a ce wanga irin decision kin ta kasa ba ma masu kula da harakoci su ne sun kasa ne yan president da jirikin ma sai da an ka kira su da sahi wajen direction regional daga bayan an ka ce musu a ah, ai ba ba ku ne ba ba ku jarabawa tun da an ka kasa kenan shi wannan yaro ya tsani a shi bin ma kayan ma a ta yi a same su abun haraka ya lalace kenan c'est très difficile ou pratiquement impossible a ke ai combattre kin fit tun daga shi nan ma wannan ya sani za a yi annule kenan inda dama idayar eh, sai eh, abin da an kai kenan akwai waɗanda sun ka samu masu yi da remplacement kin selon nos informations en tout cas peut-être ce sont pas des sources qui sont officielles mais ouais, des sources ouais, officielles ouais. suna tace en samu masse yi remplacement ça veut dire que ba abin ba karamin karami wasa bane sai an C'est un an c'est kokari sai an c'est un ba On nan ba wallahi ba mu ba mu ko ina ya so kai dai kai ne kandida da kenan tare ya akai, yi ake jin irin wannan labarin tu peux nous dire un peu, je sais pas, même si vous partagez pas vos sources, vos tuyaux là, quand même donne-nous quelques. Comment c'est possible Ça c'est quelle magie ça là eh, ina jira examen. Eh, vous allez voir, vous allez constater que eh, la majorité des élèves, ils vont essayer de créer des groupes sur WhatsApp. Est-ce que vous voyez okay. Maintenant, dans ces différents groupes, dans un premier temps, ils vont commencer à envoyer à traiter, de, envoyer les sujets corrigés, traiter, faire des trucs. Son duel mm. là-dessus. Et maintenant, après quelques temps, euh, on commence à t'appeler. Hein. Ils commencent à envoyer des SMS. C'est comment il n'y a rien qui est tombé. Est-ce que vous voyez Il y a des candidats, moi, ah même au BPC, je connais des candidats que jusqu'à un bon candidat qui ne dort pas jusqu'à 1h du matin, minuit, 23h un candidat qui ne dort pas à 7 heures pareil, il faut se dire que eh, eh, ça veut dire que ce, dernier attend, attend, quelque chose. Quoi. Est-ce que voit Il s'appelle oh, même pour demander c'est comment par rapport au futur. Comment, eh, je suis vraiment désolé, désolé pour les militants. je ne suis pas là pour liquider le cadre, mais c'est une vérité absolue qui est là, que nous devrons, cest à parce que pour que tout un chacun puisse prendre sa conscience et aussi changer. Parce que nous-mêmes qui sommes les membres, les membres de la section lycée et collège, les gens nous contactent à gauche, à droite. Euh, si vous n'avez rien. Ah oui, si on n'a rien, comme tu as la section, tu as des relations, des trucs pareils. Est-ce que vous voyez, je l'ai dit, mais s'il vous plaît, même moi si j'ai eu là, je veux, mais s'il vous plaît, allez-y étudier. Et la moindre des choses que vous pouvez faire pour vous-même, c'est de faire un combat. Est-ce que vous voyez Moi, je connais des milliers d'élèves eh, qui vont vous appeler tant qu'ils savent que vous avez eh, des fuites ou bien des trucs comme ça. Maintenant, ce n'est plus le même le terme utilisé, fuite. On appelle ça comment maintenant euh, ah, ah nous en tout cas, vous n'allez pas la prendre de moi. <laughs> Ah, il y a des mafons nous disent ah. non. non, non, On est de la sensibilisation là. On est de la sensibilisation, il faut, il faut, il faut le dire. Franchement, il faut nous informer. On a vraiment besoin parce que ça ne sert à rien. Moutane Ce que les gens oublient, les fuites ou les tricheries aux examens, ne sont pas des trucs qui sont faits pour les gens, mais c'est des éléments qui sont du moins faits contre les gens. et eh, monsieur, eh, je ne veux pas vous couper. et eh, Donnez-moi juste une minute. vous savez, aujourd'hui, tout ce que vous voyez que nous, les jeunes, ou bien nous, les militants, nous sommes en train de faire, c'est la faute de qui Les imprimés, c'est la faute de nos parents et aussi la faute de l'État. Aujourd'hui, supposons que monsieur qui est assis à côté de moi et c'est mon papa, vous me comprenez C'est mon papa. Donc je suis allé à l'école, à la descente, j'ai appris qu'elle a été nommée ministre. Est-ce que vous voyez La première des choses que mes amis vont faire, ils vont me féliciter. Est-ce que vous voyez La première des choses que les amis de, de, mon, de, mon, papa vont faire, ils vont venir le féliciter. Tout le village va se déplacer pour venir chez lui, pour le féliciter. Dans un premier temps, cette félicitation, ça, ça il va falloir savoir c'est quoi sa signification. La mhm. signification de cette félicitation. La signification de cette félicitation, moi, je la qualifie étant à l'encourageant pour aller amener, pour aller puiser. L'État nous donne l'exemple, nos parents nous encouragent et les jeunes aussi sont dans l'obligation d'appliquer. Ben, il y a des mains malheureux qu'est-ce que ça veut dire docteur eh, toute épreuve qui sort du cadre légal pour être dans les mains de ceux qui ne devraient pas l'être. C'est-à-dire, c'est lorsque les candidats sont en possession des épreuves avant d'être en salle. Ouais. Kenan fit ana kwatanta shi da cewa duk jarabawa da an ka samu mm. kahin kayan a cikin ma'aji. Okay. Kahin a hora um, um, aji sai c'est des événements qui datent peut-être depuis les années 90. Au Niger, les gens ont connu ces, événements malheureux à partir des années 93 ou 92, ou peut-être même parfois le brevet ou le bac se vendait pratiquement à Ou où les gens parlaient de Karami ou Baba. Quand vous venez, on vous demandait Karami ou Baba, c'est Bac. Oh là Karami, c'est le BPC, Baba, c'était le bac. Wow. C'était vraiment des événements malheureux que l'école nigérienne a vécu et qui continue encore par faire son, sale chemin. On, va espérer que, en tout cas, à partir de cette étape, Nande Zoua, Wanan de comment est autorité, Ouais, ouais. Dans la région de Dosso, département de Gaïa, l'avis de quelques candidats il y en a qui ne comptent pas trop sur les fuites. ils disent que Non, moi vraiment je ne compte pas sur les fuites. Si ça me vient, une fuite, là à vrai dire c'est juste une assurance. Je veux juste me dire que Alhamdulillah, donc je veux juste me jouir de cette euh, fuite pour dire que vraiment voilà, Alhamdulillah. Cette année je ne compte pas sur les fuites parce qu'il vaut mieux travailler seul et avoir son pack seul, c'est mieux ya da ka shi ya ce in ya samu fit alhamdulillah kandida yanzu aka fit comment tu réagis toi face au fit quoi comment tu réagis dis-nous honnêtement hein, pas genre honnêtement, eh. mm. C'est-à-dire, moi, je suis un candidat et je ne compte pas dans un premier temps sur les fuites. Et aussi, même si je veux compter sur les fuites, je ne veux pas, euh, c'est-à-dire, compter sur un élève ou sur un enseignant. Est-ce que vous voyez Pour qu'il puisse me donner les fuites, il va falloir être sûr, même si je veux euh, les fuites. Est-ce que vous voyez, il va falloir être, par exemple, le président du jury, par exemple, je le vois, il me donne les fuites, là, je vais traiter. C'est la seule, c'est la seule option que qui va me permettre de traiter un sujet. Parce que je vais vous dire la vérité. Même avant-hier, je l'ai dit, je suis à la, je pars à la Mecque et je vois le prophète, je vais m'arrêter. <laughs> Est-ce que vous voyez des trucs comme ça Mais je ne veux pas me mettre à la recherche des eh. fuites parce que je veux compter dans un premier temps sur moi-même. Parce que moi, <laughs> rien que eh, l'année passée, je fais le bac, je vous assure, commencer un mercredi. Le mercredi où on devrait commencer, le mardi, la nuit vers 21h, eh, et il y avait quelqu'un qui m'a envoyé des sujets d'histoire géo. Un sujet d'histoire géo, mais écrit. Est-ce que vous voyez donc, bon, j'ai banalisé, je dis non, toi, je dis non, c'est pas la peine, c'est même impossible que ça vienne, ça là, c'est même impossible. On n'a même pas fait français, toi, tu as déjà le fil, la, fuite des, histoires, je vous assure, c'était ça qui était venu. <gasps> Oh, là là Vous voyez des trucs comme ça. Waouh <laughs> Vraiment, je, je, je ah, Après, pas, après, après, dis-moi. Dis Sécuriser les épreuves, c'est quelque hmm. difficile. Tu n'as pas regretté d'avoir banalisé Et eh, j'ai pas. Vraiment, voilà, j'ai pas regretté. je n'ai pas regretté du tout. C'est très bien, bien. Yadema, on, on, droit. à ses droits, ici au collège. <laughs> On l'encourage vivement. On l'encourage vivement. Et on te souhaite bonne chance. Hein. Comme cela. La fin non, je crois que les efforts euh, finissent toujours par payer. Ouais, ouais. Tant. kan mu ci gaba da hira tamu zan mu je kuma bangaren dondi shi kuma cikin rubrikin tashi mu ji shi kuma da wani artist ne ya hira Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux le Covid-19. L'artiste s'exprime. La pandémie de la Covid-19, les artistes toujours sur le qui-vive. Et oui, le coronavirus circule toujours. Aussi, les artistes ne baissent pas les bras et continuent la lutte à travers des actions concrètes. C'est dans ce cadre que nous recevons sur la rubrique Une grande dame de la musique nigérienne. En tout cas, elle m'a bercé pendant toute mon enfance avec ses chansons. Janna Janna, ça vous dit certainement beaucoup de choses. Janna Janna Janna Janna Janna Janna Janna Janna Janna Janna Janna Eh oui. En tout cas, elle m'a bercé, comme je l'avais dit aujourd'hui encore, elle continue. Elle est toujours active, elle continue à me bercer. Eh, bébé, j'ai été quand même son bébé d'une manière ou d'une autre, elle a chanté pour moi. Écoutez ce que ça donne. Bébé, bébé, la maman.

notre maman Fatima Rico, avec donc euh, nous aujourd'hui sur la rubrique euh, que vous écoutez sur l'émission Tous à la Fada. Alors, tanti bonjour, comment vous allez ça va très bien, Toujours en forme, Tanti, toujours en forme, comme on dit. Je vous sens déjà, vous m'avez bercé. Oh Et aujourd'hui, vous continuez aussi à me bercer d'une manière ou d'une autre. Je suis votre bébé à vous, c'est ça euh, Tout à fait, tout à fait. Alors, Tanti, nous vous souhaitons la bienvenue sur la rubrique Covid-19, l'artiste s'extime. Le coronavirus est encore là. On sait que le virus continue toujours à circuler. vous, êtes vous êtes bien d'accord avec moi Oui, bien sûr, le, virus est toujours là, oui. Alors, comment vous continuez actuellement la lutte contre euh, le virus à votre niveau en tant qu'artiste coronavirus boroyon yon neshin wadorino boro yonga chiganitali doridaino boro ikansi baine ga kwarai doridaino obai coronavirus Dorosi Dumifayanka bomba le message est très clair. Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs. On va faire un petit retour en arrière, l'attentif, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le virus circule. Alors, au plus fort de l'épidémie, quelles étaient les actions que vous aviez menées et votre contribution à la lutte quand le virus frappait fort Oui, euh, Dondi, on a vraiment apporté notre. Euh, euh, en tout cas notre part mhm. de, sensibilisation parce que c'est ça en fait euh, euh, la mission qu'on s'est donnée en tant qu'artiste, c'est d'éveiller les consciences, c'est de sensibiliser, de sensibiliser la population. Mhm. Donc euh, pendant la Covid-19, on ne s'est pas seulement confiné, dans, la le confinement, pardon, on a aussi composé cette chanson que je viens de s'entonner tout à l'heure. Et après, il y a la Croix-Rouge internationale aussi qui nous a commandé une chanson à, Dakar. Ah. Et on a fait euh, euh, un concert. Euh, virtuel, Bien sûr. Avec euh, beaucoup d'artistes africains en tout cas. Uh-huh. on a composé une chanson, moi et Yakouba Denke Denke, et ces chansons ont passé virtuellement euh, sur les médias, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ces chansons, d'une manière ou d'une autre, ont conscientisé parce que nous, on vous écoute, on sait que l'artiste est extraordinaire. Alors, tout ce que vous avez dit, on a en tout cas pris compte. Alors, selon vous, Tanti, ce virus, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour s'en protéger pour se protéger, moi je crois que la meilleure façon de se protéger, c'est de, de continuer le confinement, de ne sortir que quand on est obligé de sortir, mhm. se protéger quand on est dans des, lieux publics mhm. et aussi continuer à laver nos mains. Et c'est comme ça seulement qu'on peut. En un mot, on doit continuer à respecter les gestes barrières. Merci Tanti. On va finir avec votre message de fin. Les jeunes peuvent être contaminés. Les jeunes peuvent mourir et les jeunes peuvent transmettre le virus, disait le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé à la date du 30 juillet 2020. Alors quel serait votre message à l'égard de ces jeunes qui pensent qu'ils sont invincibles mon message, c'est que euh, qu'on soit jeune ou âgé, mhm. on peut mourir. Mhm. Donc, euh, les personnes âgées, encore nous, on a vécu. Mhm. et si on meurt, c'est peut-être une bibliothèque qui va partir, hein? mais hein? quand même, on aura vécu notre temps. Hein? La jeunesse, ils ont encore de l'avenir. Donc, ce que moi, je, les conseille, c'est de prendre soin d'eux-mêmes et de se protéger euh, pour pouvoir vraiment vivre aussi longtemps. C'est notre souhait. Tout simplement. Voilà, ils n'ont qu'à euh, respecter les gestes barrières, euh, ne pas penser qu'ils ne sont pas invincible. Tout simplement. Nous sommes bien évidemment, moi je suis son bébé, alors elle veut bien évidemment euh, que je vieillisse aussi, que, je continue à vivre. Alors pour cette raison, elle me donne des conseils. Moi je prends acte, merci en tout cas pour ses contributions. On sait aussi que le virus frappe et a frappé aussi au Sahel. Alors on va finir avec cette chanson qui date en tout cas de trois mois. Ça fait ans alors je parle. Vous avez santé pour le Sahel. Alors aujourd'hui, pour tous les jeunes du Sahel qui kiffent cette émission, on va revenir avec cette chanson sur cette émission parce que c'est ça aussi la rubrique. Tant ici, vous êtes prête, il n'y a pas de souci. C'est au fait l'ambiance qu'on met pour clôturer ou boucler la boucle, comme on dit sahel sahel sahel merci en tout cas et Sal était de la partie pour la réalisation de cette émission Adama était de la partie Et a assuré la réalisation de cette émission on vous donne donc rendez-vous dans un instant sur l'émission Tous à la Fada c'était la rubrique Covid-19 l'artiste s'exprime en cas de tout composez le 15 ou le 118 parce qu'au fait

Adamou, il est enseignant-chercheur, spécialiste en lettres, arts et communication. Nous sommes avec euh, Mohamed Abdou de la section lycée au collège ko a ce ya Je suis na muna wannan hira bisa kan wannan sata jarabawa da ake daga an examen in BPC ko na BAC ko wace shekara sai ka ji abu kun san da akwai mu na fara da suke iya aiko mana tambayoyin su bisa kallon mu ta WhatsApp 80 06 88 54 akwai wani aminin mu daga Doso sunan shi Ibrahim Umaru mm. yake nan ga tambaya wai bisa kan wannan tsaron Prevkin tsaron Prevkin wai ba a tsare su da kyau ne ake sata ko menene ke faruwa ai kun san yanzu duniya harkan su harkar duniya an samu tsauye ne a da kamar in an samu fit yana wa ko kin haro banna ne ko kin banna gudal ne nan ne dai ne an ka samu bai ta ko ina tunda mutum bai tashi daga dare ya turazor du matin ya tashi ya ta ya an yi kori ya kai ma wani amma yanzu in an yi fit duniya dukan su ma zai tsani tunda akwai wannan da aka ce rezo socio shekaran jiya baranya mm, na wannan fitkin na svt ko e na epreuve kin na français har ka statut kin na élève ana ganesu su kun ga abun ya, ya, ya, ya tabargaze ya, ya lalace kenan les gens doivent raison garder a ce kamata mutum ya san ya kamata kin ya tsan wane ya tsa yanzu wannan ai harkan BPC da harkan breve peut-être ba dai bane suke harkan bac na university ne ana aje kan university an san waye ne a direction directeur des examens du baccalauréat an san kuma waye ne cikin sekretariya shi ya san ga wane ne ga hannun wane ne an ka bada mai proof kenan in an yi wani abu gaskiya an san wane ne za kama ko da yaushe in za a fara wa'annan jarabawa sai ku ji magabata masu kula da harkokin ilimi suna kwantar muna da hankali suna cewa sun ɗauki duka matakan da ya kamata pour assainir au maximum cet environnement mais maintenant docteur ya kuke gano eh, da makaman eh, da matakin matakin da ake ɗauka Malheureusement c'est que cikin harkan jarabawa ko mu ce ma cikin harkan lokol harkan karatu ai autorité so biyu ne cikin shekara ce ganin su duka duka ran da za a yi rentrée scolaire ran da za a shiga a fara za su to ana ta gwada su tele da babban bazen da babban costume da babban menene ana ta raraba kai ana ta raraba bikuna in an kare shi kenan ba kare ganin su sai ran da an kace za a jarabawa jarabawa ta bpc ko ta bak tunda yanzu babu ta certificate in sun zo sai suke a ai gashi nan mun dauko kanu duka mun dauki harkan hakan ka mun dauki kanu haka duk wanda ya sata hakan gane yake za mu kuma sai mu gani a karshen ba haka nan bane kenan a cikin harkan jarabawa lalle suna da aiki mu duka muna da aiki domin sai mu ce mu shannu da 'yan lokal faran masu yawancin musuma ba ruwansu za ka gani cikin wannan lokal yaro ya shekara guda har an kara aji sai ran da za a yi wancan sabon rantare yaron zai ya ce ma faran na yi fase ba su to su gani ko ya wuce ko bai wuce ba ba su taɓa tambaye shi takarda ba shi da ya hada musu sun yarda sai ran da za a zo wajen rantare scholar in ya zo an ka ce sai a ce an hidda shi yana ne uban zai zo sai ya ce a shi bai gaya mashi gaskiya a lokacin kamata yaronka in ya tashi da tsaye ka san inda zai ta ka san me yake in ya zo cikin class ka san me yake ka kullum kullum sati suivi ko wata abin da ake ce ma suivi ba mishi CV mm-hmm. in baka suivi yaran ka baka san abin da yake gilma a lokal ba in baka dibe shi ba baka san abin da yake kenan aikin ya rage mu mutum biyu da mushe da yan lokal yan lokal kuma in an yi wani abu in an kama su sai a ce a yara ne babu uban da yake tsawa shan wahala in ba mu shan ba shi na harko ne na ƙarshen c'est vrai ba iya zance da mushe hira da mushe san ke mhm, ba iya hira da mushe san ke mushe ga yi matsalolin shi Sa <laughs> c'est quasi impossible Mena ya dima, basa kan harkan wannan sanction kin Muna da wani auditeur qui musani Abdou depuis sawa Lui, il veut savoir ce qui se passe après la détection d'une fraude. En dehors de la suspension des épreuves, bien sûr. Ha akwai wani bincike da ake ko wani ko wani da ake dauka su kan wa'annan. Ya dima zan fara gare ka. Ka ji labari ko tsakankanin ku ko etudiant an ce an kama wani na ce etudiant 11 an kama wani da wani wani laihi wani laihin na satar jarabawa an mishi wani abu ka taba ji? Eh to Eh, in ba tun 2006 ba ba mu taba jin irin wannan abubuwa ba da aka kama 'yan eh, makaranta har ma aka sa su aka kai su kaso ka yi akwai wayansu wanda suka yi karansin shi wayansu ka yi trauma eh, in ba nan ba dai ba mu sani ba parce que le pire dans ça est que yan talaka ba su ne ke samun fit in ba su ma ana kawo musu ne kun gane to yanzu 'yan talaka su da suka samu suka yi aka kama su to su ne za a ba kashi tun ubanka bai da ba ta da kun gane ko cest dire les sanctions et euh, souvent ils sont pas appliqués à 100% ah, ok voilà docteur parlons sanctions maintenant en cas de fraude et tout ça il Sani Abdou depuis Tessawa qui veut savoir qu'est-ce qui se passe Il y a une enquête qui est faite ou il y a... Normalement, c'est ce qui devrait être fait. Ok, devrait. normalement une enquête qui suit pour pouvoir déterminer justement les responsabilités KG à un innocent. Comment un avec des, des, épreuves comme ça, la personne normalement est sanctionnée pour 5 ans. Ok. Bay bac. Chikena. Pour 5 ans. Et maintenant, est-ce que Anna, le service du bac fait le retour pour effectivement constater les noms ko mutane ma cikin satan ba su koma su tai su sake suna su zama wani abu Allah shi mai sani wai wai wai donc akwai akwai haraka sino ana enquête okay normalement avant même de d'envoyer les gens même dans les centres kamata ake an yi enquête de moralité a san wannan mushe ko cikin école ma yana hada-hada ko bai hada-hada <laughs> hada-hada je veux pas vous couper je veux juste un peu uh-huh. rajouter vous savez au Niger euh, aujourd'hui c'est-à-dire quelqu'un peut aller présenter sur mon nom le bac, hein, parce que <laughs> parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il ah suffit seulement de prendre ma photo et puis d'amener au service bac. Il n'y a aucune vérification. On n'a pas de logiciels, euh, C'est-à-dire pour pouvoir euh, savoir si réellement c'est la personne. Si c'est toi ou c'est pas toi. Est-ce que vous voyez des trucs comme ça Et ça se fait, ça continue, ça se fait même présentement. Sûrement, même cette année, vous aurez, des candidats comme ça. Hein. Tant, là, c'est encore un autre problème. <laughs> Mais non, comme tu as dit, on va se détendre un peu et on va détendre aussi les candidats parce que dans, disons, 12 heures, 48 heures de diffusion, qui ont une émission qui est dans 48 heures, ils seront dans les salles. pour les détendre. Donc, amis candidats, la FADA vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Zamu Save Savage Love de Jason Rouleau et on se retrouve juste après. baby. If I woke up but I still want that. wannan fara zamu litinin l'impact de ces irrégularités parce qu'un système éducatif nigérien ko kuma a ce bisa kan wannan takardar digire kin in mm, ka same ta na digire kin ka same ta ba ai ai yanzu mu ai yanzu ko yanzu ko yana ganin su ai don saboda a ce malam bahaushe ya ce abu gagawa don mai rai ya ji tsoro ba don wanda yake tsata ba ba don ba a so a samu ba ne me ana son mutum ya samu karatu ne in mutum ya karatu ba don gidansu bane ya yi karatu don kasa ne ya yi karatu wanda ya sata ya samu bak ya ta ya zama likta waye zai kashe yan kasa ne zai kashe wanda ya tsata ya samu bak ya ta ya zama mushe waye zai kashe yan kasa ne ba su samu ilimi to kun ji ne abin da doktor ya ce kowa ya kama gwiwa kowa ya yi hankuri ya yi juriya abin da baka samu yau ba insha Allah baranya in ka yi kokari badi za ka samu ce ya dai ma kai kuma misa za ka kai bisa kan karin bayanin za ka ban bisa kan wannan digirikin da zaka an aka same shi a sace impact kin wa'annan sace-sacen da ake yi bisa kan karatun ko a ci harkokin ilimi duka na kasar ta ma eh, parce que vraiment l'impact il est énorme aujourd'hui eh, eh, eh, eh, mais si vous faites un tour dans les administrations Euh, vous faites un tour dans les universités, dans les écoles, vous allez constater que vraiment euh, il, reste beaucoup pour notre pays qui est le Niger. Olivier Olivier Rabi, comment vas-tu ce soir Ça va bien, Olivier. Et toi, c'est comment Ah ouais, je vais bien aussi, Dieu merci. Toi, Olivier, ce soir, on va parler de ce qui nous intéresse. On va parler de nous-mêmes. En gros, on va parler de la jeunesse. Ok. Super. Il est temps. Bonsoir à tous. Le 12 août passé, Rabi, pour euh, rappel à nos auditeurs et auditrices du studio Kalangou et surtout de tous à la FADA, la jeunesse internationale a commémoré bah, sa journée. En gros, le 12 août, c'était la journée internationale de la jeunesse. Le thème de la journée, c'était l'engagement des jeunes pour une action mondiale. À travers cette célébration, la participation des jeunes dans la résolution de la crise sanitaire Covid-19 est mise en évidence. Au Niger, lors de la crise sanitaire, les jeunes ont été au cœur de la lutte contre la pandémie. Bah, on va essayer de voir à travers quel secteur ou bien tout simplement se poser la question comment. commence par la FADA d'abord. On était à fond dedans. Alors, à la FADA, on n'était pas à côté, on était à fond dedans. Et si on prend les secteurs euh, de la santé, par exemple, les membres de l'association des jeunes médecins, par exemple, sont portés volontaires pour aider les services d'urgence des hôpitaux de la ville de Niamey et aussi l'intérieur du pays. Dans le secteur de la culture, à travers l'enrichissement des titres de chansons, la réalisation des sketchs, des campagnes sur les réseaux sociaux, les jeunes ont largement contribué à la sensibilisation des populations. Surtout le fameux mot ou bien la fameuse phrase Restez chez vous. Dans le secteur digital, une compétition nationale a été organisée euh, au nom du Corona Caton pour, euh, par un consortium de 10 jeunes entreprises pour encourager les mesures de lutte contre la COVID-19 et aussi les solutions d'adaptation à la COVID-19 une compétition à l'endroit des jeunes qui ont des idées de lutte contre la pandémie. En gros, on dirait qu'au Niger, les jeunes étaient là avant, pendant et surtout après la Covid. Alors vous, auditeurs et auditrices de l'émission Tous à la Fada, selon vous, comment les jeunes ont contribué à lutter contre la Covid Si vous avez des réponses, n'hésitez pas, allez-y sur notre page Facebook et Twitter et réagissez à volonté. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, merci Oli pour euh, ce clin d'œil à la jeunesse. fin de tout ça la fada du samedi, tout ça la fada. Bonne chance au candidat qui a pris euh, précieux minutes que tu nous as accordé à la fada. Merci à toi d'être là. Et comme l'a dit Adema tout à l'heure, il faut être fier. Il faut pouvoir être fier de son diplôme. La facilité, ça attire la tentation et tout. Mais il faut pouvoir fièrement présenter son diplôme après son obtention. Donc, on va dire euh, bonne chance. Bon courage à tout le monde. Je ne souhaite pas de la chance à Yadema parce que justement, c'est la chance qui amène les gens à aller chercher la fuite.

de la tricherie et sanction des auteurs de fraude. C'est de cela qu'il s'agit. <laughs> <laughs>